Madame, Monsieur, bonsoir. Euh, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire euh, du studio Kalangou. Cette semaine, euh, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de l'accord de paix signé dimanche 4 juin à Tondikiwindi par les différentes communautés du département du Walam, région de Tilaberi. Ensuite, nous parlerons du forum inaugural sur l'engagement du secteur privé dans la Grande Muraille Verte ouvert lundi à Niamey. L'actualité, c'est aussi euh, ce forum international euh, sur l'espace civique organisé par l'association Tournons la page à euh, Niger du 2 au 4 juin passé. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Memouna Diado, journaliste indépendante. bonsoir. Bonsoir. Garé Amadou, directeur de publication du journal Canara déchaîné et au quotidien La Nation. Garé Amadou, bonsoir. Bonsoir. Et Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Hassan Boukar, bonsoir. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 9 juin par l'accord de paix signé entre les différentes communautés du département de Wallam dans la région de Tilaberi. Ainsi, ces communautés ont signé un accord de paix dimanche 4 juin dans la localité de Tondikwindi. Il s'agit du premier accord de ce genre dans le département de Wallam où la pression des groupes armés alimente les tensions communautaires. Mme avez-vous d'autres informations ou d'autres précisions au sujet euh, de cet accord de paix signé entre les différentes euh, communautés du département du Wallam euh, je ne peux pas dire que j'ai d'autres, en tout cas, nouvelles concernant l'accord de signature entre les communautés intervenu donc à Walam, comme vous l'avez précisé, à comme vous l'avez précisé. Mais je sais que c'est pas la première fois, en tout cas dans cette partie de Walam, où il y a eu signature d'accord. Maintenant, euh, vous avez vu comment les choses se sont passées. C'est vraiment toutes les communautés étaient présentes, en tout cas représentées, et ces communautés ont jugé que. Il y avait le euh, ministre de l'Intérieur, le, représentant euh, de l'association des chefs traditionnels. Ils, ils étaient tous présents là-bas, donc ça c'est-à-dire que, en fait, c'était vraiment une confiance renouvelée et qu'il fallait partir euh, de ce constat-là pour dire que euh, véritablement, si les acteurs ont décidé euh, de s'unir, ont décidé de par cette insécurité qu'il faut renforcer la cohésion sociale, moi je me dis que c'est une très bonne chose. Maintenant, c'est de suivre, de poursuivre les objectifs qui reste à poursuivre, c'est quoi C'est de ne pas faire une signature de protocole d'accord et qu'il y ait violation de quelque part de ces mêmes communautés. Donc il faut veiller. C'est ça qu'il faut nécessairement euh, faire. Quoi. Donc, le ministère il y a eu des précédents dans d'autres localités Oui, oui c'est ce que je suis en train de dire. Il y a eu, ça ne fait pas quelques mois de cela, nous avons assisté à une signature euh, d'accord, la même chose que ce qui s'est passé à Tondeguindi. Mais j'ai dit, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est une très bonne chose parce que c'est une zone à conflit et c'est une zone aujourd'hui qui a besoin de cohésion sociale. C'est une zone où les communautés doivent s'unir pour pouvoir vaincre cette insécurité, euh, les djihadistes qui sont en train de s'aimer euh, le désordre au niveau donc, euh, de cette partie de, de Walam. Et je dis qu'il faut le suivi. Ce n'est pas la signature aujourd'hui, mais c'est le suivi pour que chacun de ces signateurs-là qui ont mis en tout cas qui ont imposé leur signature sur le, le document qu'il n'y ait pas de violation que chacun de ces communautés hein. respecte en tout cas <laughs> en bonne et due forme les consignes et ceux qui sont les engagements et les engagements et les consignes qui se sont donnés. Donc c'est ça en fait. Merci beaucoup Memoune Diado, Gary Amadou. Des discussions étaient amorcées depuis plusieurs semaines avec la facilitation de la haute autorité à la consolidation de la paix ainsi que le Centre pour le dialogue humanitaire HD, les communautés arabes, Peul, Zarma et toi Touaregs ont signé ce document. Que peut-on comprendre au sujet de l'insécurité dans le département de Wallam il faut dire aussi, il faut ajouter que si ces accords ont été signés, c'est parce que euh, l'actuel ministre de l'Intérieur est quelqu'un qui s'est impliqué dans des processus de ce genre-là pour amener les communautés à s'accepter entre elles. Vous savez, il y a eu déjà un événement euh, de ce genre, comme on l'a rappelé, notamment au niveau de Banu Bangou l'année dernière, mm. où des accords ont été signés entre les communautés. Parce que pourquoi c'est bon de signer ces accords entre les communautés C'est très simple. Vous savez, les groupes terroristes qui sévissent dans la région ont tendance à profiter des communautés, à chercher à créer la dynamique entre les communautés. Et parfois, suite à des attaques, les ressentiments de certaines populations, le, fait que les groupes terroristes ont une composante à forte, en tout cas, densité d'une communauté bien précise, ils ont tendance à faire de l'amalgame, à considérer que non, c'est la communauté là qui attaque les gens, alors qu'il faut faire la part des choses. Alors qu'il y a toutes les communautés. Il toutes les euh, communautés. et puis il faut faire la part des choses. C'est-à-dire que c'est pas tous les habitants, toutes les populations qui appartiennent à cette communauté qui sont des terroristes. Il y a des terroristes qui appartiennent à cette communauté, il y a des terroristes qui appartiennent à une, autre communauté. Mais ça ne veut pas dire que c'est la communauté. Et les gens ont tendance à faire de l'amalgame. C'est pourquoi je dis, ce type d'accord signé entre les communautés, ça permet de ramener la sérénité et que les gens aient les têtes sur les épaules et puis vraiment les pieds sur terre. Ils se disent que, bon, qu'il y a une attaque, euh, c'est vrai qu'on peut considérer que le groupe euh, qui a mené cette attaque-là est composé à forte euh, majorité de la population de telle communauté, mais ne faisons pas la confusion ce ne sont pas toutes les communautés qui sont, euh, les populations de cette communauté-là qui sont dedans. La preuve, c'est que parfois, ce sont les populations de ces communautés-là qui sont victimes des attaques terroristes. Mamouna a rappelé tout de suite euh, qu'il faut nécessairement un suivi régulier de cet accord-là. Oui, comment organiser ce, suivi-là Jusqu'à preuve du contraire, on peut dire que ça, ça se passe très bien parce que concernant les accords de Bani-Bangou, on a constaté quand même qu'il n'y a pas eu de, remise en cause. Et les conflits intercommunautaires ont un peu baissé. Parce que vous savez, au niveau de Bani-Bangou, à un certain moment... Quand même les attaques ont baissé d'intensité. D'intensité, pourquoi Parce qu'à un certain moment, quand les attaques avaient lieu avec une recrudescence qui était extrême, n'est-ce pas Les populations ont commencé à s'armer. Il y a eu des milices qui ont été formées. Et on a vu que les conséquences de la mise en place de ces milices-là étaient catastrophiques. Et donc, depuis que ces accords-là ont été signés, heureusement, on voit qu'il y a une sorte d'accalmie, n'est-ce pas Pourquoi c'est bon d'avoir ces accalmies-là Il y a deux, deux avantages. Ça permettra peut-être aux populations, aux communautés de plus collaborer avec les FLSD, le cadre de la lutte contre le terrorisme, n'est-ce pas Et ça permettra maintenant d'empêcher à ce que les groupes terroristes puissent continuer à recruter au sein des populations. Il y a, Parce y a aussi les travaux champêtres qui vont démarrer. Qui vont, euh, démarrer, qui vont démarrer. Vous savez, l'éternel problème entre agriculteurs et éleveurs peut survenir. Mais ce type d'accords qui sont signés sous les auspices, bien sûr, de la haute autorité à la consultation de la paix, le ministère de l'Intérieur et toutes les sensibilités qui peuvent participer. Euh, le dialogue, le centre, dialogue euh, humanitaire. humanitaire mhm. Eh bien, ce, type de, d'accords de, sont extrêmement importants pour la stabilité sur le plan national. Merci beaucoup, Gary Amadou. Hassan Boukar, par cet accord, les communautés de Walam s'engagent à résoudre leurs différends par la conciliation. Peut-on espérer la fin définitive euh, de de l'insécurité dans cette partie euh, de la région de Tilaberi Parler de fin définitive de l'hostilité, c'est peut-être tôt pour, pour, en parler, mais je pense que c'est déjà un pas important hein, pour moi que des communautés acceptent de dire. Parce que là, moi, j'ai parcouru l'accord et ces communautés disent que pour nous, ce n'est pas le dialogue qu'on peut régler le conflit. Et ça, je pense que c'est déjà un pas important dire que c'est par le dialogue qu'on peut régler les conflits, c'est extrêmement important. Puis j'ai vu qu'ils sont arrivés à des choses euh, très concrètes. Hein. Par exemple, euh, l'accès au marché. À un moment, c'était difficile euh, selon que telle ou telle communauté est accusée. les gens s'affrontaient sur le chemin de marché, qui sont des lieux sensibles à milieu rural. Et donc là, aujourd'hui, c'est de dire il faut que toutes les communautés puissent librement accéder, n'est-ce pas, au marché. Puis, ils prennent d'autres décisions qui sont à mesure vraiment importantes. Par exemple, ils disent, tous ceux qui souffrent de vol, par exemple, vous avez du bétail volé, à partir de cet accord, on ne réclame plus ce qui a été volé avant, mais de veiller à ce qu'il n'y ait plus de vol et si euh, des cas de ce type arrivent, c'est de faire appel au FDS, de faire appel aux, aux autorités compétentes. Voilà, c'est vraiment les bases pour dire tous les conflits qu'il y a entre communautés, ça c'est à notre portée de dire on va le régler. Et les communautés appellent les groupes armés à respecter cette entente entre communautés. Alors voilà un espace où pendant longtemps les groupes armés ont exploité les conflits les différends entre les communautés. Désormais, les communautés s'entendent pour dire, nous, on veut régler de façon pacifique nos, différends, on veut que les autres respectent. Et il appelle l'État vraiment à appuyer cette attente. Donc, pour moi, c'est vraiment une base assez intéressante. Garé l'a rappelé autour de Bani Bongo, où il y avait déjà des cas, mais aussi au Mali. Hein. je pense que dans le centre du Mali, à un moment, il y a une telle entente entre communautés et ça facilitait le déplacement. Donc, Peut-être qu'on va assister à, une situation où la solution va venir des communautés. On, voit le rôle joué par les États, le rôle joué par les nations comme la haute autorité, qui est déjà, c'est vrai, il faut le dire, impliquée là. On a fait appel parfois à des forces étrangères, mais on voit qu'il y a peut-être des ressources locales qu'on a peut-être négligées et qui font surface aujourd'hui. Il faut donc bien surveiller ce type d'initiative que ce soit ici chez nous ou dans les pays voisins, ça permet de dire c'est peut-être une bonne piste. Lorsque les communautés arrivent à s'entendre, parce que tout laisse croire que ces groupes euh, recrutent massivement dans chaque communauté pour tirer profit des différents qu'il y a déjà au niveau local. Donc dès lors que les communautés disent, écoutez, on a vécu en symbiose pendant longtemps, on est resté ensemble, il y a certes des différents, on n'est pas obligé de prendre les armes pour faire face à ces, conflits. À mon avis, c'est vraiment des démarches assez intéressantes. Il faut bien surveiller. pour le suivi, je pense qu'ils ont mis en place un comité qui où toutes les communautés sont représentées au sein du comité. le rôle du comité, c'est justement de veiller au respect de cet accord. À mon avis, ça ressemble à quelque chose qui est assez bien réfléchi. Euh, c'est vrai que euh, des centres comme HD, euh, sur le dialogue humanitaire, que, j'ai vu déjà dans la région de Difa, ils sont assez actifs. Ils ont aussi une expérience. Et même dans les régions du Mali, du Burkina Faso. Je, je, veux dire, ils ont une expérience de ce type de situation. Je pense que leur expertise a dû peser dans ce type de situation. Voilà, je pense qu'il faut surveiller, il faut que l'État accompagne. On a vécu des situations extrêmement difficiles. S'il y a une porte, une solution, il faut vraiment la saisir, euh, renforcer ce qui est déjà fait. Euh, j'ai vu, il y, a, il y, a, des appels à l'État pour dire que, avant par exemple, il y a des soupçons pour dire que les FDS même n'était pas neutre dans ce conflit. Il fallait aujourd'hui que les FDS, il fallait que les FDS, n'est-ce pas, appuie les, les, communautés. Pour moi, vraiment, cet accord, c'est déjà une base euh, à partir de laquelle on peut continuer à, conquérir la paix. Donc c'est déjà bien. Je pense que le plus difficile, en particulier dans cette zone euh, ouest, la zone des trois frontières, c'est le fait que les conflits entre communautés aient été attisés euh, avec ces, ce groupe rebelle. Donc aujourd'hui, euh, je pense que si les communautés s'entendent, pour moi, c'est une piste à partir de laquelle on peut aller plus loin. Merci beaucoup Hassan Boukar, Tout à l'heure, Hassan Boukar disait qu'il est très tôt de parler de la fin de l'insécurité dans le département de Wallam à travers euh, la signature de cet accord. Euh, comment rompre définitivement euh, avec cette insécurité qui endeuille de nombreuses familles dans ce département Mais il a raison de dire que c'est très tôt pour que nous puissions dire que de par cet accord, signature de, de, cet accord, qu'on peut mettre fin à cette insécurité, puisque maintenant déjà que les communautés ont décidé de rester et de, de s'unir, ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être même si ça ne finit pas, ça peut quand même diminuer. Parce que ce sont ces jeunes-là, de ces communautés-là, qui sont en tout cas enrobés dans cette situation euh, de, de, djihadisme. La signature de cette, euh, en tout cas, l'accord qui vient d'être signé permettra donc à, ces jeunes euh, de se ressaisir et à ces communautés également de savoir que la solution reste donc de notre côté. Donc c'est à nous de savoir maintenant comment est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir éradiquer cette situation d'insécurité. Et je pense que également avec le soutien du ministère de l'Intérieur, le soutien des chefs traditionnels, euh, qui sont dedans, déjà impliqués dans, euh, pour que la paix revienne au niveau donc euh, du département de Walam, de avec les jeunes. Il ne faut pas laisser aussi de côté les structures des jeunes parce que les structures des jeunes aussi, des femmes aussi jouent des rôles très importants quant à cette, le retour donc de la paix. Donc je pense que aussi tout ce que nous pouvons dire, c'est de souhaiter que la paix revient très rapidement, et non pas seulement dans le département de Walam, mais la même initiative qui a été en tout cas pour euh, Tondikwindi et pour Bani euh, Bangu, que ça sert de leçon également pour les autres euh, départements et, communes de la région de Tilabiri. Pourquoi pas Parce que en fait, il faut regarder ces communautés, il faut essayer de voir si on arrive aujourd'hui dans le département de Walam à s'unir, à faire euh, en sorte que la paix revienne de ce côté, mais pourquoi dans le département de Terra, par exemple, dans l'Anzourou, on ne peut pas faire ce genre d'initiative Rapprocher ces communautés pour leur dire que nous sommes ensemble, nous devons rester ensemble parce que l'insécurité nous a trouvés ensemble et on n'a pas en tout cas euh, droit à ce que cette insécurité euh, nous divise parce que c'est en train de diviser ces communautés et quand on indexe X ou Y pour dire que c'est cette communauté qui est à la base de la sécurité, donc c'est déjà grave. Vous avez vu comment les choses se sont passées au niveau donc de Aïrou. vers Ayuru, où des populations étaient contraintes de quitter cette zone-là parce que tout simplement, euh, c'est leur communauté euh, euh, ont été indexées et c'est pas bon. Merci beaucoup, euh, euh, Garo Amadou. Vous avez quelque chose rapidement Je suis d'accord avec, euh, avec Abba. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que parce que tout simplement il y a eu des accords entre les communautés que le terrorisme va finir. Il ne faut pas faire de confusion. Il y a la vie entre les communautés, il y a les groupes terroristes. Est-ce que vous comprenez Les groupes terroristes, eux, ils exacerbent les tensions qui, intercommunautaires qui existaient déjà. Maintenant, ces accords-là vont permettre d'alléger un peu la tension. Vous comprenez Ça va diminuer la tension. Mais pour que le terrorisme puisse finir, il faudrait soit le vaincre de façon militaire ou peut-être mettre en place un dialogue avec les terroristes. Mais est-ce que nous sommes prêts à mettre en place un dialogue avec les terroristes. Est-ce que les terroristes veulent dialoguer Voilà toute la problématique. Euh, rapidement, c'est un appel. Dans l'accord, les communautés appellent l'État à dialoguer. Voilà. Ça dit dire qu'elles perçoivent bien la nécessité de continuer. Euh, mais est-ce que les groupes terroristes sont prêts faire ça Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les gens qui sont enrobés dans cette situation de, de, de, et tout. Donc, quand, si les communautés qui viennent aujourd'hui, euh, qui ont signé l'accord, l'accord donc euh, de sont pas des terroristes. non, qui ne sont pas des terroristes, mais non, oui, mais aujourd'hui, ça permettrait à ces communautés-là de savoir, de sensibiliser les jeunes pour qu'ils à les jeunes à revenir. À ne plus être oui, à ne, plus être enrôlés. Voilà, c'est ça, aussi. et ça aussi, ça peut aider l'État. Ça peut aider l'État et ça peut amoindrir cette situation d'insécurité. Merci beaucoup à tous. On a servi une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse, un forum inaugural sur l'engagement du secteur privé dans l'initiative de la Grande Muraille Verte s'est ouvert lundi 5 juin à Niamey sous la présidence du chef de l'État Bazoum Mohamed avec pour thème créer des marchés et restaurer la terre au Sahel pour les populations et la planète. Ce forum est organisé par la Fondation Sion, Issoufou Mahamadou FIM en partenariat avec le gouvernement du Niger et d'autres partenaires. Gary Amadou, euh, quels sont les principaux résultats attendus à l'issue euh, de ce forum oui, les résultats attendus, je crois que euh, les résultats seront, seront déclinés dans ce qu'ils appellent la déclaration Vous Vous avez participé à ce forum Je n'ai pas participé, j'ai couvert l'ouverture du forum parce que faut pas, je ne suis pas participant. J'ai couvert en tant que journaliste l'ouverture du forum. Mais il, nous a été dit que le forum va accoucher d'une déclaration dite déclaration de Niamey, et qui doit mettre en tout cas euh, sur pied la stratégie globale afin que la, Grande Muraille verte puisse vraiment être effective. Parce que vous savez, il y a des contributions financières qui sont attendues, n'est-ce pas, des barres de fonds qui ont promis. Mais là, c'est l'implication du secteur privé. À travers quoi À travers des initiatives locales qui peuvent permettre d'entrer dans le cadre de cette stratégie globale de la Grande Muraille verte. Moi, juste hier, nous étions au niveau de Kouigolo, où nous sommes partis visiter. Dans, la région de Dosso. Nous sommes partis à Koigolo, justement, avec euh, quelques participants. Euh, et nous avons vu des installations qui émerveillent les Nigériens. C'est-à-dire que c'est au niveau de la localité qu'on appelle Safa. Un Nigérien a mis en place plusieurs hectares où il a planté des, il a planté des choses, mais c'est extraordinaire. Il a planté des, arbres, il a planté des, comment on appelle, euh, le moringa. Et sur une un autre espace, il a non seulement il a planté des arbres, il a planté des arbres fruitiers, tout, tout, tout. Et puis il a créé une sorte de, euh, site de pisciculture où il élève les poissons. C'est-à-dire que c'est un, inconnu du public. Nous étions émerveillés. Bon, donc la Grande Muraille Verte, quand elle parle de du secteur privé, c'est pour que des initiatives de ce genre-là, comme l'initiative de Amana Agro, qu'on a vu au niveau de, la, Baladen, où un grand complexe agro-industriel a été installé. Donc c'est dans ce cadre-là. Parce que la Grande Muraille Verte, au début, les gens pensaient que c'est juste planter des arbres sur des dizaines de milliers de kilomètres. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire c'est créer une sorte d'économie, une sorte d'espace vital autour des zones qui sont extrêmement touchés par, la, le terrorisme, par les, changements climatiques, et créer des espaces qui, peuvent, qui permettre de revigorer cet environnement-là. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Et donc des initiatives de ce genre, comme ce qu'on a vu à Safa, comme ce qu'on euh, a vu au niveau de Chitaba. Mais, comment convaincre les investisseurs nigériens à s'intéresser euh, Mais justement, c'est par l'émulation. Quand on voit ce qui se passe à Safa, quand on voit un Nigérien qui, donne le silence absolu, sans tapage, qui n'a jamais cherché à militer, mais vous savez, le monsieur a installé des lampadaires euh, solaires sur toute la route. Il a, fait, il, a fait, il a mis en place une voie latéritique. Cela nécessité de gros moyens. Mais il a mis en place une voie latéritique. Je vous disais le silence. Nous, on était émerveillés. Il a construit une mosquée, il a construit. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait. Et dans le silence, sans chercher à se faire de la publicité, sans chercher à, à montrer au monde, oui, j'ai fait ceci. Vous savez, il y a des gens, quand ils font des choses, ils veulent que tout le monde le sache. Lui, non. Mais quand on a vu le complexe, je vous dis, le, 22 hectares où il a planté du moringa à perte de vue. vous, serez épaté. Selon vous, c'est un bon exemple qu'il faut Mais justement, c'est susciter l'émulation. Vous voyez C'est-à-dire qu'avoir de l'argent déposé à la banque, ça ne sert à personne. Peut-être ça va vous servir à vos enfants, parce que le jour où vous allez, vous allez casser votre pipe, vos enfants vont prendre l'argent et puis ils vont dépenser. Mais quand vous investissez dans des, dans des trucs qui peuvent permettre à la communauté de profiter, c'est encore plus plus formidable et vous faites ça pour l'éternité. Merci beaucoup Gary Amadou. Hassan Boukar, adopté par l'Union africaine en 2007, l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel rassemble plus de 20 pays africains ainsi que des organisations internationales, des instituts de recherche, la société civile et des organisations communautaires. Comment expliquer euh, cette léthargie euh, toutes ces années durant ben, je, pense que c'est un investissement dont les résultats sont à long terme. Hein. Euh, il s'agit aujourd'hui euh, de planter des arbres, je crois. Du Sénégal, jusqu'à Djibouti. Je pense que c'est l'espace qui a été choisi euh, de façon à agir sur l'environnement, sur les questions du changement climatique, faciliter euh, l'installation de communautés dans des zones qui ont été affectées, etc. Donc c'est un projet vraiment du siècle, comme on le dit, c'est quelque chose d'extrêmement important. mais est-ce que, est que l'Afrique a les moyens de souffrir euh, ce, luxe-là prenez, prenez, le cas d'un pays comme le Niger. Nous, avons un pays qui est affecté par le désert sur les trois quarts de son territoire. Le fait qu'il y ait une concentration de population sur le dernier quart, ça, ça, ça, pose aujourd'hui beaucoup de défis. Euh, le problème, c'est l'accès aux ressources naturelles, euh, le conflit entre l'agriculture et l'éleveur. Lorsqu'il y a une concentration sur peu de territoires, ça pose forcément des défis. Il y a des années où on travaillait dans l'avancée du désert. On disait chaque année le désert avançait de 5, de 6 km, etc., pour attirer l'attention de l'opinion. Ce discours, j'ai l'impression qu'il a beaucoup euh, disparu. Hein. Or, aujourd'hui, pour des pays comme les nôtres, vraiment affectés par euh, l'avancée du désert, et par les effets du changement climatique. Les effets du changement climatique. Je pense que ce projet est important. Nous devons être, à mon avis, les pays qui plaident pour euh, une forte mobilisation autour de ce projet. Maintenant, pourquoi ça n'avance pas euh, Il semble que à peine autour de 18% d'exécution, donc ça montre que c'est faible. Depuis 2007. Voilà. Mais, je pense qu'il y a aussi l'urgence des, auxquelles les pays font face. qui se passe aujourd'hui, quand vous parlez du Sahel, tout le monde voit les conflits. On pense qu'aujourd'hui, investir dans la lutte contre le terrorisme, sécuriser les États, et les populations, sûrement que beaucoup de gens le placeraient avant ce, projet-là. Il y a donc les urgences auxquelles les pays font face, les crises alimentaires, etc. etc. Donc, on, veut résoudre le problème de, tout de suite, quoi. Et là, euh, avant de penser à demain, bon. Mais les deux doivent être faits ensemble, à mon avis, hein, parce que investir aussi dans ce projet. Ça permet de sécuriser, euh, normalement de lutter contre l'insécurité alimentaire, de fixer les populations sur place, peut-être aussi de, contribuer davantage à la lutte contre le changement climatique. Mais encore une fois, euh, je pense que quand je compare la région Afrique à d'autres régions du monde, on n'a pas encore suffisamment travaillé l'esprit en faveur. Euh, de, la protection, de la protection de l'environnement, la protection du climat contre le changement climatique, etc. Vous voyez, en Occident aujourd'hui, vous avez une opinion assez forte euh, qui s'exprime lors des élections avec des ONG très actives qui poussent les États à prendre des mesures. Je pense que pour l'instant, ce type d'opinion est à construire encore en Afrique. Hein. On n'est pas arrivé à le faire. Et pourtant, la réalité est bien là. On a quand même besoin euh, de, poser des mesures qui protègent l'environnement, qui permettent de freiner l'avancée des déserts, qui permettent un peu de lutter contre le changement climatique. Je pense que en Afrique, parfois, ça, ça, la lutte d'une question vitale, hein. euh, parce que nous sommes quand même les, les, grandes victimes euh, ou les grandes victimes du changement climatique. On doit donc travailler à ce que, à travers les initiatives africaines, contribuer à freiner l'avancée du climat pour les bénéfices des populations africaines. Mais encore une fois, je suis d'accord, peut-être qu'on devait davantage travailler, accélérer. Le, défi, quand vous faites face à plusieurs situations à la fois, on a l'impression qu'il y a plus d'urgence. Sauf que euh, ça se dégrade, hein, ça continue à se dégrader, donc l'environnement. à mon avis, il faut pouvoir travailler ensemble de façon à donner à chaque défi la place euh, qu'il mérite pour aller de l'avant. Merci beaucoup Hassan Boukara Memouna La Grande euh, Muraille Verte est le programme phare du continent africain pour combattre le changement climatique. Hassan Boukara l'a rappelé tout de suite. La désertification, l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Quelles sont les attentes des populations concernées se place ici euh, les attentes des populations concernées, il faut d'abord souligner que c'est une très belle initiative, hein, parce que la Grande Muraille verte, si nos chefs d'État ou bien si nos pays africains arrivent en tout cas à concrétiser euh, ce projet, il y aura déjà la création de plusieurs emplois. Les jeunes vont se retrouver, les femmes vont se retrouver, donc euh, ça veut dire que d'ici l'horizon 2030, comme ils l'ont souligné, il y aura une création de plus de 10 millions d'emplois. Mais est-ce que la population est assez sensible pour accompagner euh, les États La population sera sensibilisée parce qu'ils ne vont pas faire euh, un projet d'une grande euh, envergure, comme ça et ne pas pouvoir sensibiliser la population. Et la population est déjà impliquée du moment où déjà le projet vise beaucoup de choses pour ces populations, à lutter contre la désertification, les changements climatiques, à faire en sorte que nos pays africains aujourd'hui puissent s'autosuffire en alimentation. Je pense que déjà les populations concernées sont déjà impliquées. Maintenant, euh, comme je l'ai dit, c'est la phase, peut-être ça, c'est, il y aura une phase qui va venir où ça sera la phase de sensibilisation, la phase d'aller vers la création de ces emplois-là pour ces jeunes et pour ces femmes, comme je viens de le dire à l'instant. Et je pense que c'est une solution puisque aujourd'hui, euh, tout le monde sait dans quelle situation se trouvent nos pays africains. Donc euh, là, c'est quelque chose qu'ils se sont concertés et ils il faut que tous ces pays africains-là se lèvent pour dire que c'est un projet. C'est pas pour X, c'est pas pour Y, mais c'est pour, en tout cas, sauver l'Afrique. Et quand je dis c'est pour sauver l'Afrique, parce que le changement climatique est là, de toutes les manières, ça concerne tout le monde et nous sommes en train de voir euh, déjà euh, la situation, de vivre déjà cette situation de changement climatique. Aujourd'hui, quand vous regardez, nous sommes déjà en juin, mais jusque-là, <laughs> la saison le, pluvieuse. les hein, pluies se font rares. Les pluies se font rares. Jusque-là. il fait euh, encore plus chaud. Il fait encore plus chaud. et ça, c'est les effets déjà du changement climatique. Et maintenant, il y a cette situation de sécuriser l'alimentation, de faire en sorte que nos pays africains puissent vivre de ce qu'ils sont en train de cultiver. Ils sont en train, en tout cas, euh, de par ce projet-là, initié. Parce que comme euh, le Niger a trois N, euh, bien que les, <laughs> Nigériens, certains disent que trois N, bon, ça n'a pas encore donné ses fruits, bien que ça fait longtemps que ce projet-là existe. Mais je pense que c'est, ils vont renforcer la capacité de l'exemple de trois N qui pourront servir, l'exemple pourra servir donc à d'autres pays africains pourquoi pas Mme Gado, euh, la cérémonie de lancement de ce forum euh, d'échange a rassemblé de nombreux acteurs euh, du secteur privé, mais aussi nationaux qu'internationaux. Y a-t-il des opportunités d'affaires à travers l'initiative de la Grande Muraille Verte mais, mais bien sûr qu'il y a des opportunités d'affaires. Gare, vient de <laughs> donner un exemple. mais, oui, il y a les opportunités d'affaires parce que pour un tel projet, on ne peut qu'amener, en tout cas les investisseurs, euh, sur la table pour pouvoir leur dire voilà ce que nous pouvons faire ensemble. Voilà les opportunités qui s'offrent à vous. Venez prendre ces opportunités. Est-ce que cela ne nécessite pas un accompagnement du gouvernement Mais bien sûr que ça nécessite un accompagnement du gouvernement. C'est un projet, mais ça nécessite aussi, aussi l'accompagnement du gouvernement. Et, mais au-delà du, gouvernement, déjà nous avons, nous avons déjà des ONG qui sont dans, qui en tout cas exercent dans le changement climatique. Euh, dans l'environnement. Euh, il y a l'AFD qui, qui accompagne déjà l'État par rapport à ça. Donc il y a beaucoup de projets, et il y a beaucoup aujourd'hui d'ONG et beaucoup de partenaires financiers et techniques qui croient en tout cas à euh, cette initiative de la Grande Muraille Verte. Merci beaucoup, Mme Diado. Allez-y, oui, En fait, ce que je voulais dire, c'est que cette Grande Muraille Verte-là, c'est vrai que c'est une initiative africaine parce qu'à l'origine, on a parlé de président Olusegun Obasanjo et de Abdoulaye qui, qui avaient déjà émis l'idée de cette Grande Muraille Verte-là. Bon, après, maintenant, ça a été repris par Issouf Mamadou qui est considéré comme le champion euh, dans le domaine de la promotion de la Grande Muraille Verte. Mais il faut dire que même si c'est une initiative africaine, c'est quand même de portée planétaire. Et pourquoi je le dis Parce que l'Afrique ne vit pas sous serre. Donc, le changement climatique, la lutte contre le changement climatique en Afrique a des conséquences aussi sur le truc, parce que le globe est tout, c'est tout petit en fait. On est sur la même planète. Donc, les effets, si on peut lutter contre le changement climatique, tout le monde va en bénéficier, parce qu'en fait, c'est un grand village de l'Afrique. Donc, en réalité, c'est un projet qui intéresse non seulement les pays africains qui ont signé pour faire partie intégrante de, ce projet, mais la communauté internationale, les Nations Unies sont intéressées parce que c'est vraiment une idée novatrice qui peut permettre peut-être de changer. Il y, a, de cela quelques années, la France avait annoncé sa contribution à hauteur de 12 millions d'euros. Justement, le problème, le problème aujourd'hui, parce que j'ai cru, comprendre lors de de l'ouverture, en tout cas des échanges que j'ai eu avec les gens, que le problème de financement est en train de s'opposer. C'est-à-dire que ce qui a été promis n'a pas été Bien sûr, il y a une partie qui a été amenée, mais ils n'attendent pas que tout soit regroupé pour pouvoir commencer. Déjà, des, choses ont, commencé à être mises en œuvre. Et concernant la sensibilisation des populations, les populations sont sensibilisées parce que déjà dans nos pays, avant même que l'idée même de la Grande Muraille le processus qui entre dans le cadre de cette Grande Muraille était déjà enclenché à travers les activités de euh, régénération de, l'écosystème. des écosystèmes, n'est-ce pas Des sols qui ont été dégradés. La récupération, des, terres, etc., En réalité, c'est tout un gros, ensemble qui rentre dans le cadre de cette Grande Muraille Merci beaucoup à tous on a servi une courte pause. un forum régional sur la restriction de l'espace civique en Afrique de l'Ouest et au Sahel, organisé par la coalition en tournant la page TLP et Niger, s'est ouvert vendredi 2 juin à Niamey. Pendant trois jours, plusieurs panels ont été animés par des spécialistes et acteurs de défense des droits humains. Il y avait le cadre légal et institutionnel de l'espace civique en en Afrique et au Sahel, le cadre légal et institutionnel de l'espace civique au Niger, l'espace numérique en Afrique de l'Ouest et au Sahel, l'état des lieux de l'espace civique en Afrique de l'Ouest et au Sahel, démocratie et limitation des mandats et comment promouvoir et protéger l'espace civique. Hassan Boukara, en président la séance inaugurale, le président de la Commission nationale des droits humains euh, reconnaît que dans nombre de pays, et particulièrement euh, dans les pays où la démocratie est en construction, le maintien de l'ordre et l'ouverture euh, de l'espace civique ne font pas bon ménage. Comment l'expliquer ben, je pense que euh, celui qui l'a dit, c'est le président de la Commission nationale des droits humains. Donc, euh, ça montre qu'il y a vraiment un problème sur euh, la question de l'espace civique. Mais je veux dire de façon globale, hein, quand on regarde un peu la région Afrique, l'espace sahélien, il y a quand même beaucoup de défis liés, n'est-ce pas, à l'espace civique qui s'est rétréci. quand on prend chaque pays, on peut citer des cas. Hein. Euh, il y a quelques années, quand la Covid est arrivée, on a vu aussi que ça a été un prétexte pour, utilisé par certains régimes pour restreindre davantage. C'était des manifestations de rue qui étaient interdites à cause de la Covid, c'était des activités de certains. Voilà, donc je pense que deux, trois décennies après nos séries de conférences nationales, on revient de nouveau à poser la question du de, rétrécissement de l'espace civique. Euh, donc, où la démocratie, là où elle s'est vraiment installée, recule, où elle a du mal à s'installer. C'est aussi du recul euh, démocratique. Oui, parce que le, qui dit l'espace civique, euh, ça renvoie un peu à un cadre démocratique qui permet l'exercice de, de, certaines libertés, de certains acquis, etc. etc. Donc aujourd'hui, je pense que il y a des situations assez difficiles, par exemple, euh, comme cette situation du Sénégal euh, qui fait l'actualité. Aujourd'hui, on voit vraiment euh, je pense qu'ils ont eu raison de poser un débat sur l'espace civique dans, nos pays. C'est un vrai problème. il faut peut-être encore davantage de lutte des, des, citoyens de nos pays pour imposer les normes. On voit bien que le fait de l'inscrire dans les textes, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que toutes ces libertés, ces droits qui sont demandés aujourd'hui, pour lesquels la société civile se mobilise, dans la plupart des cas, ça est déjà dans la loi, dans le texte. Donc aujourd'hui, c'est le respect qui pose problème. Donc, euh, quelquefois, euh, quand on dit la jouissance par des citoyens, des droits, n'est-ce pas, des libertés dans l'espace civique, etc., et le maintien de l'ordre ne font pas amener. Parfois, le maintien de l'ordre, c'est juste un prétexte. En fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est l'acceptation des citoyens qui ont des droits, qui ont des libertés et qui l'exercent dans l'espace civique. Donc, je pense que beaucoup de régimes ont encore du mal à l'intérioriser, alors que le cadre légal, le législateur l'a déjà prévu voilà, je, pense que euh, les libertés, euh, les droits humains, ce n'est jamais un acquis. C'est donc toujours un combat perpétuel pour arriver à la raciner, pour arriver. Donc, des aspects comme celui-ci permettent de dire, de pointer davantage les insuffisances et d'aller de l'avant. Merci beaucoup, Hassan Boukara Diado. Dans un contexte de restriction de l'espace civique et d'atteinte à la démocratie, cet événement a vu la participation d'une cinquantaine d'experts et acteurs de la société civile venus de sept pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Quelles sont les attentes de tous ces ses participants ah, mais ce qui les a réunis d'abord, c'est cette restriction de l'espace civique. Donc, ça veut dire que les attentes sont énormes. Ils attendent tout simplement que euh, au sortir déjà euh, de, cette conférence, de euh, ce forum, qu'il y ait des garde-fous. La liberté. la liberté, mettre des garde-fous d'abord, oui, parce que, oui, parce que la Constitution leur donne cette possibilité de manifester, c'est un droit. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire C'est de réfléchir pourquoi ça ne marche pas dans nos pays. Pourquoi est-ce que jusque-là, on n'arrive pas à ces dix dernières années ou bien ces vingt dernières années, pourquoi jusque-là, euh, il y a toujours euh, ces, petits problèmes qu'on rencontre. On ne permet pas euh, à ces acteurs qui veulent en tout cas lutter, qui veulent montrer, qui veulent participer au développement de leur pays, on ne leur donne pas la possibilité pour qu'ils fassent ce qui est leur devoir, en tout cas, de rassembler, de montrer et de dire. D'exprimer leur opinion. D'exprimer leur opinion et de dire non quand il faut dire non et, soutenir quand il faut soutenir. Donc c'est ça les attentes. Les attentes, c'est que c'est pas pour rien qu'ils ont réuni les experts. C'est c'est plus d'une euh, cinquantaine euh, d'experts qui étaient là. Chacun de ces experts ont pu expliquer et donner euh, des exemples de violations des droits humains qu'ils sont en train de subir dans leur pays. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire C'est qu'il ne s'agit pas d'avoir ça dans les, lois, mais il faut essayer de poser aussi des questions et des problèmes parce que des fois, le message qu'on veut faire passer, la manière dont il faut il faut s'y prendre, c'est ça aussi des fois qui, qui n'est pas ça. Et il faut également peut-être essayer de faire comprendre à ces gouvernants que quand on parle d'acteurs de la société civile, il ne faut pas les voir comme des ennemis, il faut les voir comme des partenaires. Parce que quand ça ne marche pas, les acteurs veillent à ce que ça marche. Donc ces acteurs interpellent le gouvernement sur plusieurs questions, en tout cas qui ne marchent pas. Donc ce sont des alliés et, et c'est normal que quand ça ne va pas, que ces alliés-là, que ces, acteurs-là sortent pour manifester, pour dire que faites attention, vous êtes en train de violer les, droits humains et, et n'est pas bon. Donc, moi, je pense que si chacun reste à sa place et chacun fait ce qu'il y a lieu de faire, euh, nous n'allons pas nous retrouver avec des acteurs de la société civile emprisonnés, des acteurs de la société civile interpellés à tout moment, parce que tout simplement, ils ont donné leur opinion. Merci beaucoup, Mme Diado. Gary Amadou, des violentes euh, manifestations ont éclaté la semaine dernière à Dakar, la capitale du Sénégal, et dans plusieurs grandes villes euh, du pays, suite à la proclamation du verdict du procès de l'opposant Ousmane Sonko condamné à deux ans de prison ferme pour corruption à la jeunesse. Quelle est votre opinion au sujet de toutes ces manifestations Pour moi, ces manifestations-là, euh, elles étaient prévisibles. Euh, mais la violence des manifestations, ça non. Bon, euh, chacun peut, peut, considérer que c'est l'autre qui est coupable, mais moi je pense que préserver la, la, sérénité ou la paix au Sénégal, c'est vraiment quelque chose de très important. Surtout que je considère que euh, le président Macky Sall est en plein mandat. Il n'a pas fini son mandat, n'est-ce pas En plein mandat ou en fin du mandat Non, il, est dans son mandat. Voilà, son mandat n'est pas fini. Et il n'a pas annoncé qu'il va faire un troisième mandat jusqu'à preuve du contraire, pour le moment. Bien sûr, les gens lui prêtent l'intention de vouloir... Mais de façon concrète, il n'y a rien qui prouve que il n'a pas fait une déclaration dans ce sens-là. Donc, pour moi, ça ne mérite pas que le Sénégal soit mis à feu à sang dans cette situation-là. Même si je considère que face à la gravité de la situation, il devait sortir pour dire que non, je ne me représenterai pas. Euh, ne vous inquiétez pas. Parce que rappelez-vous ce qui s'est passé. Fait, il, En plus mais les gens n'ont pas cru. Les gens n'ont pas cru. Il se fait passer tout le temps en train de dire, je ne veux pas me répéter. Les gens disent, ah non, c'est comme ça, c'est pour nous endormir, voilà. Euh, nous, on sait, on connaît comment ça marche. Euh, après, il va venir, il va dire, voilà, voilà, il va réunir les gens. mais, si, Macky Sall ne l'a pas fait, c'est quand même comme ça que Ouattara est passé, c'est comme ça que euh, Alpha Condé. Vous, êtes, en train de me demander, vous savez, moi j'en sais quelque chose parce que moi j'ai combattu le Tazar et le Tanja. Et donc, je sais ce que c'est. Et donc, le troisième mandat, pour moi, c'est une ignominie à laquelle il faut mettre fin. C'est-à-dire que même ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'était grotesque. On modifie, on fait du bricolage et puis on se maintient au pouvoir. Non. C'est-à-dire qu'il faut arrêter cela. Un président vient, il fait un, mandat, il fait un deuxième mandat, il peut Vous rappelez-vous ce qu'Issoufou a dit a dit il n'y a pas d'homme providentiel. non, je ne suis pas un homme providentiel. je n'ai pas le culot de dire que je suis irremplaçable. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui peut tu as fait un mandat, tu as fait un deuxième mandat, tu as même modifié pour que le mandat du, du, président soit. revient à, à, Très bien, on applaudit. Mm. Mais alors, voilà, euh, tu vas finir ton mandat, pardon, euh, sors par la grande porte et vas-y. Bien sûr. entre-temps, il y a eu ce procès-là contre Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'aller dans les salons de massage pour un homme marié, mais c'est ton épouse qui te masse qui est parti. Et, la dame, elle a expliqué que. Mais, la justice a prouvé. Oui, il y a un non-lieu. Il y a un non-lieu, c'est vrai, il y a un non-lieu. Gary Amadou, à, présent, comment ramener la sérénité dans ce pays considéré comme, comme démocrate avant les autres en Afrique de l'Ouest Vous savez, j'ai eu la discussion avec un Sénégalais, euh, parce que j'avais fait un tweet dans lequel j'ai dit aujourd'hui, face à la situation, la grave situation dans laquelle se trouve le Sénégal, deux personnes doivent parler. Macky Sall même s'il n'est pas obligé, face à la gravité de la situation, il doit sortir pour dire Je ne me représenterai pas. Deuxième chose, Ousmane Sonko doit appeler au calme. Quelqu'un a dit, le Sénégalais a dit Ah oui, mais Ousmane Sonko qui est séquestré, comment est-ce qu'il peut parler J'ai dit non. S'il dit, s'il dit qu'il veut parler pour appeler au calme, je pense qu'on peut lui ouvrir le micro. Mais si c'est pour venir dire, continuez à vous battre pour que je puisse euh, être candidat et pour que je, sois président un jour, je trouve que ça ne vaut pas la peine. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum de studio Kalangou. Merci à nos invités, Memouna Diado, journaliste indépendante, Garé Amadou, au directeur de publication du Canard déchaîné et au quotidien La Nation, et Hassan Boukara, journaliste à la radio alternative. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivis de tout à la FADA. Et à partir de 18h samedi, suivez le forum à Hausa et dimanche celui en Zarma. Merci aussi à la technique côté son assurée par Amina Hassan, à la réalisation Seini Isaka. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.